su ba za su gazawa ba mata mu ne sutura dashi mu ne sutura a gida labile mai sirin ɗaki duk darajan namiji in ya zama na ba auren nan kusan dai ya rage mata hasken ɗaki namijin da duk ya shigo ɗaki in ya tarado ba matar shi sai ga yaro da ya sunan kago koi gaskiya da wannan Bonsoir et bienvenue sur Tous à la Fada. Votre émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Amin Yanko, Rabia Maikano Batanayo. Misali, Dondi Che Gavrata Moku Dawanga, Nous célébrons cette semaine, dite de la femme, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars. La femme constitue un pilier d'une société et bien qu'elle soit à la fois une compagne, une mère, une sœur, force est de constater que ses droits sont parfois bafoués. Kubata Akinta. Au Niger, malgré les progrès notables dans le domaine, la place de la femme fait toujours l'objet de débats. La bonne nouvelle, c'est que la femme nigérienne continue de lutter. À ce titre, une nouvelle génération de femmes est en train d'émerger au Niger. Jeunes, belles, instruites, dynamiques et en phase totale avec cette époque et ses exigences. Beaucoup d'entre elles sont euh, ou en train de devenir des leaders dans leur domaine. Quelles sont leurs forces Que pourrait être leur apport d'abord pour les autres femmes et ensuite pour le pays sur ce nouveau numéro de l'émission Tous à la Fada, nous avons invité des femmes pour parler et échanger avec elles sur la contribution de l'entrepreneuriat de la jeune femme nigérienne au développement du pays. Tous à la Fada, la première partie c'est tout de suite. Vous aurez la chronique présentée par Mr Olivier, la rubrique L'artiste s'exprime et aussi de la musique consacrée à la femme nigérienne. Loquette on te souhaite la bienvenue. Merci Dondi. Ina ne nanga? Muna place de la culture. Tsoho kaso jemaji. So kaso jemaji. Nan ne kenan muku bayani bisa kan contribution de l'entrepreneuriat de la jeune femme nigérienne au développement du pays. C'est le thème donc que nous aborderons dans cette première partie. Je commencerai par ma droite. Haja, salam alaikum. Ina yininku? La Kuna Kuna iga muna sunanku? Sunana Hawaii de Ibrahim hawide misali ke mi yi uh, ni créatrice de mode ce créatrice de mode on est mode bah, vêtements pour la jeune femme on va dire elle est à mes côtés elle va aussi se présenter salam alaikum ajaba de moi là yaba sunan ki eh sunana maimuna garba Maimoun Garba. Oui, euh, promotrice qui marque Mafari également. ni ne marque Mafari. chicken cosmétique kamar mayuka, turarruka da abubuwan da ke gyara shi ke. Kenan kamshi a samu mai kamshi kamshi a kai ma ba nan ne ko? Kamshi da walƙiya duka. Kamshi da Walkia duka. Misali ga a muna nan Place de la Culture yadda loket ta hodi. Loket ba dai mu a lahiya ba. Lahiya. Kin shirya? Na shirya. Ana yi busa. Busa kawai. <laughs> Kenan. Madigel, je souhaite la bienvenue. Comment tu vas? Ça va, je vais bien, bonjour. Taf, taf production. Livraison. Ta ni Donc après, je te fais la facture. Awaïde, ah, en quoi l'entrepreneuriat peut être une opportunité pour la femme nigérienne, notamment les jeunes comme nous tous, on le sait, au Niger, <laughs> rester à la maison, il faut que le mari parte chercher pour revenir. Pour moi, ça ne peut pas se faire, je ne pourrais pas attendre. Il faut Donc je suis partie très très très jeune chez moi. Très jeune de chez toi Oui. Euh, au début, je suis allée au Bénin où j'ai essayé de faire des import-export un peu pour vendre des choses. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie. Juste pour pouvoir euh, essayer aussi de faire un peu ce qu'ils font ailleurs pour chez moi. Quand tu dis le Niger, euh, en tant que quelqu'un qui voyage beaucoup, personne ne connaît chez moi. Bien sûr. Et ça me prend la tête. Je dis, en étant nigérienne, je vais essayer d'aller ailleurs pour pouvoir amener lointain, moi j'ai trouvé la mode pour pouvoir parler de mon pays. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un site internet pour les vêtements pour pouvoir euh, vendre tout ce qu'il y a chez moi sur internet comme tout le monde le fait. Ok, d'accord. en tant que jeune femme, entrepreneur, comment analysez-vous le climat économique au Niger Comment appréciez-vous le cliché que se font les autres sur la femme entrepreneur misali Mathieu in an ce yana wa'ansu abubuwa ana mishi wa'ansu magunguna da ba su da kyau wani bi. Wala merci eh kamar yadda muke ganin shi a cikin sosai take mu mace inda ta ce za tashi ta nemi na kanta. Mm. matsaloli ne da yawa take fuskanta matsaloli da yawa da yawa da eh. yawa wata ran kan yan uwanta kan mijinta kan ango da take a ga cewa ta waye wane ne da sauransu mai ni a gani na abubuwa da bai kamata a sa cikin kunne ba mhm. saboda in dai kai ka san abin da kake so to un objectif bien déterminé donc tu n'es pas obligé que tu sai kowa ya yarda da kai mm. mais c'est avec le temps za a fara ganewa a ce ah donc elle est sur la bonne voie donc je vais emboîter également le pas mm. donc euh, vraiment c'est de tracer son objectif aller droit au but mm-hmm. ne pas écouter les autres kin yadda hawa ide de la marque oibi tagay kin yadda maimuna mafarin shop tagay na yarda ita ma mine naki kokarin da kina yi ka karo mana bisa kan abun da sun ki gai ni duna na yarda da abun da suka gai saboda a yau yadda duniya ga ta sake kamar mace wai ba ma wai ya kamata ne ba kamar dole ne ta nemi na kanta dole ne ya zama mata dole saboda yanzu duniya ga yadda ta koma uwayenka ba su iya su yi ta edanka har wani lokaci <laughs> ko mijinka ma bai iya ba duk abin da kake so mm. kenan mace dole ne pour elle pour ses enfants pour même aider ses parents tunda in kana da arme ba mijinka ba zai ta kula ma uwayenka ko wani abu in kana so ka yi dole sai ka nemi na kanka pour faire ce que tu veux pour réaliser des choses tu es obligé dole ne ki tashi ki nemi na kanki mm. ka kai jira da wani miji ya bani wani ne ya kwatanta muku duk a wannan abubuwa ko ku kanku ne kun ku tashi kun kiyama ba ku jira miji ko uwaye su muku ku dukan ku ko wani abu mine ne wannan inspiration daga ina ne kun ka samo ta kuma ni dai gaskiya ban san sauran mutane na san da yawa suna da irin wanga tunani amma ni dai personal hmm. ma abu ne wanda uwaye na suka yi ta sami shi cikin kaina hmm, mace ya kamata ta eh, kamar yadda ta take ta le premier mari d'une femme c'est son métier hmm. haka ne kullun take ga min cikin kaina kullun take ga min kuma da experience da na girma na yi arme mm, na gani ni da kaina na gani ba ki take cewa ma miji ba ni to in so gishiri ina da wannan girman kai na ba komai nake iya tambaya ba kamin ma yazo ka so gishirin kuma ina da wasu bukatu wanda bai iya ya yi in su duka kenan dole ne sai a ce ina da nima nawa kamar misalin kina so abu mai kamshi kamshi bai <laughs> kai ma in kina so eh. ki sa mishi abu mai kamshi sai kin tai wajen mafari shokin so akwai wani dan surprise surprise da kake so kama eh, mijinka ba a cewa kawo kawo maka surprise <laughs> wasu eh, abubuwa sai a can lungu ake gane su kenan akwai duka wannan abubuwa da ya sa experience da maganganun uwaye da ya sa wanda gaskiya ba mu iya zama sai mun tashi da kanmu kenan bai kai ma a ce a ba ku akin ku akin ku ku da kanku ne ku a ah, rashe sai mun kwato shi ba mu ida ba har yanzu oh. saboda akwai sauran lokaci kwarai amma muna bisa muna tsaye da mu sai mun kwato mu ah, insha Allah. Shi ce na aku ba ta akinta, tout le monde a pour dénoncer, tout le monde a critiquer. Mais en que jusque-là, rien n'a changé. Madigan, tu es de cœur avec euh, ce que vient euh, à l'instant de dire sûr. L'entrepreneuriat de euh, des jeunes Je l'appuie à fond. À fond Qu'elles ont toutes dit d'ailleurs. Ok. Euh, taf, taf, livraison. Tout comme elle. Mhm. Je suis l'aîné de mon père. Il m'a toujours dit c'est le travail d'abord, les études, le travail avant le mariage. Ok. J'ai eu plusieurs propositions de mariage bien avant, étant au collège, au lycée, très jeune. Il a refusé. Il a toujours refusé. Avec tous ses atouts, quand même, à 15 ans, chez Dakar. <laughs> c'est ça aussi, la voilà. Entre nous, on se dit un certain nombre de choses. Ok, bien, d'accord. Faut pas profiter quand même. pas de souci. <laughs> Donc, il, a, il, a, toujours voulu que je sois indépendante d'abord, mhm, mhm. avant de penser au mariage. Bien sûr. À partir du moment où j'ai fait mon master 2, il a tout coupé. Il m'a dit, tu te débrouilles maintenant, tu trouves du travail, et tu prends tes responsabilités. C'est pas mal vu par la société euh, Bon, je ne sais pas. Moi, mon père est sénégalais. Tu es comme euh, euh et ma soeur, tu fermes les yeux et tu fonces. Voilà. Mon père est sénégalais, donc j'ai une autre éducation. Hmm. Euh, c'est un peu différente de celle qu'on a ici au Niger. Nyangadef. <laughs> Magnifique. <laughs> On va prendre une petite pause, mesdames et messieurs. L'artiste s'exprime, c'est une rubrique de l'émission. Et euh, tous à la fada. On kiffe, et bien évidemment, Nourat du collectif Son Niger. On va parler, n'est-ce pas, de cette euh, slameuse nigérienne. Et tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et aujourd'hui, sur tous à la FADA, votre émission jeune. Nous recevons dans la rubrique L'artiste s'exprime une fenêtre consacrée à nos artistes, une dame de fer. Pour ce nouveau numéro de cette semaine, la femme est au cœur des grands événements nous recevons sur L'artiste s'exprime une dame représentant un collectif qui commence à se faire connaître lentement, mais sûrement dans le paysage artistique et culturel au Niger. Nous les avons reçus une fois au grand complet sur l'artiste s'exprime. Vous vous rappelez certainement de ce collectif. Elles étaient venues à nous avec un message de paix de cohésion sociale et d'unité par rapport à ces élections apaisées au Niger. Oui filles, oui artistes, oui régions, oui langues. Vous vous rappelez certainement du collectif Ce Niger. Nous parlerons de l'artiste Nourat à titre personnel dans un premier temps et ensuite le collectif. La toute dernière sortie de Ce Niger sur le deuxième angle. Mourat, la machine te souhaite la bienvenue. Silence dans nos écrits, silence au milieu de nos vers. Silence dans nos écrits, silence au milieu de nos vers. Silence, car je viens de là où nos différences se pèsent dans nos dires. Je viens de là où nos différences se font ressentir. Je viens de là où la différence anatomique nous amène de gauche à droite, en haut, en bas. En fait, je viens de là où je suis femme. Puis femme, mais pas n'importe laquelle. Je viens de là où le sexe F se réduit à une marginalisation notoire. Je viens de là où la F connaît déjà sa place, pas une place de choix, mais une place de loi. Je viens de là où je suis rabaissée, divisée, déscolarisée, excisée, mutilée, de force mariée, violée, enceintée et quand ça va mal. Bien sûr, La femme est une créature sacrée, elle est issue de la côte gauche de l'homme, près du cœur pour être aimée et sous le bras pour être protégée. Aujourd'hui, sur cette émission, je l'avais annoncé en sommaire. Nous recevons une grande dame issue du collectif Soniger, mais elle est voulu aussi en carrière solo. Elle a opté pour le slam. Le slam Made in Niger, c'est de cela qu'il s'agit. Made by la femme, c'est de cela qu'il s'agit sur cette émission aujourd'hui. Nourat, personnellement, moi je te connais, mais les amis de la femme veulent en savoir plus sur toi. Qui est véritablement Nouratou. Bon, je m'appelle Oumar Nourato, nom d'artiste euh, Nouratla Debo Slam. Je suis artiste slameuse, je suis nigérienne et étudiante. Ok. Nous sommes à la fin de la première partie. L'instant est solennel. Tu es artiste, on sait que c'est pas du tout facile d'être artiste au Niger. Surtout artiste femme. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous qui nous kiffent pour qu'on puisse vous soutenir. Pour vous permettre de vous exprimer. Noura, la machine et les humains qui sont de l'autre côté, t'écoutes. Moi, je dis que être artiste, c'est un métier pour celui qui, le veut. Des fois, c'est une passion pour d'autres. Mais pour moi, c'est mon métier. Et tout métier doit être, doit être respecté. On doit vous laisser quand même. Euh, vous Croyez en nous, encouragez-nous et on va foncer. C'était donc à l'instant que Nourat sur l'artiste s'exprime. L'angle 1, c'est-à-dire sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Misserie. La machine vous donne donc rendez-vous demain dimanche, même heure, même fréquence. Nous allons parler du collectif Soniger. Ça te dit Ouais. On va parler de votre dernière sortie. Ça te dit Ça Borodanji la femme sera au cœur du deuxième angle. Sur ce, hey, Irba. À l'instant, c'est donc Nourat du collectif euh, Son Niger sur l'émission Tous à en la rubrique L'artiste s'exprime. Notre débat du jour porte sur la contribution de la jeune femme, entrepreneur nigérienne au développement du pays. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Ide. Awa, tu es toujours en forme. Ide de la forme. Waibi, comment ça va tu, es toujours là, non Oui. Nous sommes aussi avec Maimouna. Maimouna de Mafari Shop. Nous sommes aussi, eh bien évidemment, avec euh, Loquette. Loquette, elle est entrepreneur. Elle accompagne aide son mari dans un certain nombre de choses. Loquette assure Immune Ihuna. Ah, Madigen magnifique. Elle est aussi, euh, n'est-ce pas, entrepreneur. Taf, taf, livraison, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Je suis aussi avec d'autres femmes qui peuvent intervenir à tout moment. Est-ce que vous pouvez vous faire du bruit, s'il vous plaît Voilà je ne suis entouré que des femmes. Normal, la femme est une créature sacrée. Elle est issue de la côte gauche de l'homme, du cœur pour être aimée et sous le bras pour être protégée. Nous sommes aujourd'hui avec des femmes qui nous protègent au retour. Parce que sous là <laughs> Vous êtes très actif dans le domaine artistique et culturel. Oui. Quelle est la contribution de ce secteur au développement du Niger pas besoin de décider pour quelqu'un à chaque fois dans sa vie mhm. le nigérien est le meilleur et le grand défendeur de la femme mais à sa manière commencez par le sexisme la femme il faut l'accepter comme elle est vois que nous aujourd'hui on est sortis de chez nous pour arriver pas besoin de nous dire comment on doit être si vous pouvez pas nous aider Laissez-nous, on va avancer. Kunana, kunamun magana, kulum kulum, vous voulez nous mettre dans vos bateaux? Chena seki dambo mbaka da yakwa. Voilà, c'est peut-être comme elle <laughs> voilà, c'est tout ce que je veux. voilà. Ah, yo na jiyuku ala ala. Babu mai sove na nashi uku su sani saka ga sunan saka su Rabia mai Kano ina ne kike? Ki zo ki ni Rabia mai Kano. Vous pouvez intervenir à tout moment, amis jeunes. Maïmouna. Oui. Dans l'entrepreneuriat, quelles sont les actions personnelles les plus concrètes que vous avez initiées au profil de nos sœurs femmes Avec quoi vous avez commencé Qu'est-ce qui vous a plus motivé Wa menene kawo kukikin cikin abun da kuke nan gai? Eh, yadda muka faɗi ne tun harko neman inci. Mm. Mu ina so mutane su gane neman incin ga ba wai wani zanga-zanga ba ne muke so mu hoto mu yi. Babu wani zanga-zanga. Babu wani zanga-zanga ni inda an gane wannan abun sai a samu ma mata albarka. Mm. Saboda kamar mu abun da muke nan ga nema kan mu zo mu tsaya mu ce miji ya bamu mu tai wajen dangin miji ko kuma dangin 'yan uwa misali mace ta yi arme bayan wata ɗaya wata biyu ko kayan jarirai da sauransu sai ta ce ma dangi ku cika min in yi kaza ku bani in yi kaza wannan zai sha mata ƙunshi ne mijinta yau ba ni ba ni yana sa mace son da miji yake mata ya rage da sai su ce to kenan masu kame kame na yalla ba su tan equal bane ba su da diploma wallahi yawancin su suna da diploma mm. ni ina da master in na sha yawon neman stage na ga shi ce hey bari in kai plan B dan in samu plan B dan in samu ni ma in sa wansu su mini aici exactement donc shine yayi puse kina vraiment da tana ne ne create eh, wani center kina na formation da center na fara daga gani ma ba a tambaya kamar misali ba ki ta wajen miji baba ko saman maka cewa yanzu ma sai kin yi musu ma sai na musu dan ina tune eh, parfum kina na farko da na ba ba na il était dépassé sai da sa shi cikin aljihu ya ta wurin aiki kun ga abin da diya ta oh, ta yi sai ta fiye ta eh eh yanzu kenan na samu kana mais pourtant au début yana cikin mutane da yaya da diploma ɗinki zaki ta ki entrepreneuriat Ok, ce n'est plus sauver la femme et les enfants du monde, c'est la femme qui nous sauve sur cette émission aujourd'hui. On a vraiment compris. Le droit là que nous cherchons, bah ouais, c'est pas pour être en guerre avec les gens, mais surtout c'est être vraiment euh, autonome. Autonome et servir aussi. ça fait aussi grandir la nation. Exactement. Si vous êtes autonome et les femmes se battent aussi, Mata Loket. Quels sont les retours Êtes-vous satisfaite des résultats et pourquoi? Est-ce que déjà abun da kuke nan jinjina muku? ko ko zage-zagen da yana continue. To ana jinjina mana kuma zage-zagen ma na yi kuma muna rama. <laughs> <laughs> a za mu ne dace kawai a barku in dai ba a kama muku eh. ku fiye ni Ce qui m'a motivé au fait à créer mon cabinet mhm. Art Consult Niger, c'est mhm. surtout pour changer cette mentalité. Donc comme j'ai une maîtrise aussi en droit international. Et je suis un master de art euh, et culture. Mhm. et donc euh, c'est surtout l'art qui m'a plus élevée au fait. J'adore l'art. Donc, je fais du théâtre. Mhm. J'ai eu une formation en théâtre euh, participatif pour la transformation des conflits. J'ai formé des femmes surtout dans les zones de conflit inda ake yaki yaki haka kamar wani difa tilaberi sai in ta ina formin mata da suka yi hijira an kone ƙauyensu sun dawo su da aikin yi muna kwatanta musu ya ne kamata su kama kansu kas su bari kullum ong suna zuwa suna ba ma suna iya commerce il faut que san da suna da potential suna da atu donc irin wannan ne da nake yi tare da wasu ONG sai na ce to ni yanzu ko in bude wani dan kabine haka eh saboda in ci gaba da yin shi ina mm. iya yin ma film bisa voilà un peu pourquoi j'ai créé le cabinet avec un ami et j'ai continué la formation en théâtre comme ça et puis il y ina un film de sensibilisation en collaboration avec des ONG ah. <laughs> madigan est-ce que vous en tant qu'entrepreneur vous êtes en rapport avec d'autres femmes nigériennes pour euh, contribuer à faire euh, avancer ce pays oui. Est-ce que vous êtes en partenariat, Missali, vous êtes avec un collectif de femmes Collectif, non. Mhm. Mais je dirais que la majorité de mes clients voilà, sont des femmes. C'est ta préférence Tu préfères servir les femmes Non, non, non, non. Il y a plus de femmes qui bougent. Il y a plus de femmes qui bougent. <laughs> les choses changent. Il y a plus de femmes qui bougent. OK. Donc la majorité sont des femmes des femmes commerçantes. Elles travaillent et elles, elles entreprennent en même temps. Hmm, on Bien sûr que tu peux ajouter. hey, je vous dis qu'ils ne sont pas seuls. c'est les femmes qui m'ont envahi. Comment tu vas, ma soeur ça va, je vais Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que Madigan vient de dire euh, Oui, je vais ajouter. Tu vas te présenter d'abord. Je suis Aboubakar Bizo Rachida. Bizo. Oui. Je connais euh, ce nom. Ouais, on a l'habitude de te recevoir cette émission. Merci bien. Elle est toute voilée aujourd'hui. Euh, abin da ina so in kara shine mm. maza su sani da mata su ko yanzu suna tashi suna kawo nasu gudunmuwa don ci gaban kasa. Ah. Da muna maganan kamar muna ke a bamu egalite, egalite nan da muke nema, kamar ba egalite ne ba cikin gida, kamar ba egalite ne ba kuma cikin societe, egalite ne dan le monde professionnel. kamar a ba mata dama su ko su yi okipe manyan post ita ko ta kawo nata gudunmuwa ta yi plus contribue pour le développement du pays kamar in an ce gouvernement a ce akwai 50% fam akwai 50% om tun da yanzu mata mun gane ba kamar da ba ne mun ga society yadda take mun ga mata waɗanda suka tashi tun da suna neman nasu na kansu mun ga kamar yadda ya ayansu suke mm. mun ga ayansu kamar irin education inda da suka samu kun gane dan shine yanzu mata da yawa sun gane sun ce to da wagga ta elle arrive elle s'est levée elle s'est battue ta samu ga abubuwa ga abubuwa ga abubuwa kuma da cikin monde professionnel elle a réussi mm. kuma sa famille da ƴaƴansu kuma ils ont réussi donc pourquoi pas nous mm. dan mu ko ba mu kamar nasu ka yau dai na shiga hukunce maka wanga fada ina so irin ta Alors, vous allez me proposer une chanson sur cette émission, Hawaïde bah, moi tout à l'heure, franchement, je vous ai entendu chanter. J'étais très ému d'entendre cette chanson dans notre langue qui dit la femme est forte, la femme est magnifique, la femme est, je peux pas aimer plus que ça. Oui, Bordanji. Oui, On peut pas avoir mieux que ça. Vous avez déjà tout dit avec Oui, Maintenant, il y a Massa Dubara. Ça, je comprends. Il y a plein de femmes qui cherchent depuis très longtemps. Moi, je connais ma mère. Elle vend des pagnes. Elle va au Nigeria amener ses pagnes vendre il y a déjà très longtemps. Mais Oui, c'est maintenant qu'ils se lèvent, les Oui, Tout simplement. C'est maintenant qu'on est là, les Oui. Kowane activité de mata de il y a très longtemps, ils ont mis nos femmes. Depuis longtemps, ils ont mis Nos mères à rester à la maison, à ne pas faire grand chose de leur ah, vie, franchement. Elles ont duré dans ça. Donc, on va aller avec Oborodangi du collectif So Niger et tout de suite, la suite. le collectif Son Niger sur l'émission Tous à Fada, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne, une émission du studio Kalangu. La version franco aoussa vous le savez bien, c'est les samedis à partir de 17h45 avec euh, la Miss Rim elle est empêchée un tout petit peu. C'est ma binôme, quoi de plus normal. Je représente Rabia Mekano sur l'émission. Vous pouvez m'appeler Dondi la machine. Nous sommes avec euh, Awa Ide. Awa Ide, bien évidemment, de la marque Waibi. Nous sommes aussi avec Maimouna, Maimouna de Mafarin Shop. Nous sommes avec d'autres femmes qui se sont déjà présentées et qui se sont manifestées en début d'émission. Vous avez eu Awabizo à l'instant, l'intervention d'Awabizo. Nous sommes aussi avec Loket, Haja avec nous. Madigen, tout va bien, j'espère. C'est la dernière partie de cette euh, première partie de l'émission Tout ça la Fada. Nous échangeons sur le thème contribution de la jeune femme entrepreneur nigérienne au développement du pays. Loket, dans le cadre de vos projets, avez-vous un partenariat avec euh, des institutions Si oui, quels étaient les objectifs euh, et à quels résultats êtes-vous parvenu grâce à ces collaborations Bon, nous, on a des partenaires, c'est des gens qui veulent nos services, en fait, qui nous rencontrent. Mhm. Mais si on cherche des, gens pour nous aider, parce qu'on est une jeune entreprise, un cabinet très jeune, juste deux ans, ça, on n'a pas encore fait une grande expérience on a besoin d'aide. Euh, on n'a encore <laughs> pas reçu d'aide, mais bon, je l'espère. Vous avez besoin de soutien Bien sûr. Maïmouna, ma chérie, par vos actions et vos initiatives, est-ce que vous estimez à votre niveau avoir déjà fait la moitié du chemin ou pensez-vous qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre vos objectifs, de contribuer à votre manière au développement du Niger Punkai 50% Koko Bakuma ku gaya muna mu ji yadda labarin ya ci. Eh, gaskiya mun fara amma in ce da saura saboda muna buƙatar dewa daga cikin mata su gane dewa daga cikin mata ba birni ɗaya muke nan ga hange ba muna son can can can ƙauye muna son su masu san wace rawa ake nan ga takawa a samu a dama da su saboda gaskiya nan birni in kun ba mu nan ga hangen wasu matsaltsaloli da yawa hakan ga in mun tai birni za mu ganewa biske ni da na samu na shiga cikin ƙauyuyyukan na niga abubuwan da ke fara kawai sai niga ashe ma mu wani daɗi ne muke na gaishe kuna kula da wanda suke cikin ƙauyuka eh to mu fara mu ba wani ƙarhi gare mu na kuɗin da za mu zawa mu ce musu ku amsa ku tai ku buɗe na ku na kanku kawo masulolin su a nan ga gare ma to duka wannan muka ga kamar yana iya ɗaukar lokaci ilimin da ke gare mu shine muke ɗauka mu ta mu iske su can cikin dashi sai mu koya musu mu koya musu su yi a gidansu su yi su seda kenan misali dubara ne kuke kawo musu dubara ne yadda ake yi su abubuwa kamar tuha hitirare da wadda ya kamata su masu fara turare dugu da masu abubuwa mun koya musu suke yin sabulai sabuli na ruwa sabuli na wanke hannu sabuli na yin wanki turare na daki turare na jiki mai na shahawa don jiki da gashi da sauransu duka mun koya musu don su ma rayuwarsu ta can kauye ta canza na ɗaya na biyu muka ce musu to ku zamna tunda muka ta zandar su suna kusan Nijeriya da sauransu muka ce musu tunda wanga da muka zo muku koya muku ba ku ta ku zamna muna kenan ba a'a yanzu ne za ku tashi da kanku ku samu ku tai kuma ku nemo kaya suna da gurfuman gurfuman wanda muka ce su tashi da kansu dan fonkin su da a cikin kes su tai su fara da shi su bar shirin taimakon ONG ko wani project in sun samu su yi me su fara da wanda a gare su to mun ji ki labari wannan gata awa ide tana tabi awa mun kai karshen shiri kin ji dai abun da wannan mata sun kace mm-hmm, mm-hmm. kin yarda da su ko ba yarda da su ba a ta kauye a ta a koya musu wanda suke can ma su ga yana kuce yi kina da wannan oui, oui, niyya en tant que nigérienne qui ne vit pas chez moi mhm. À chaque fois que je pars chez moi, je trouve des changements. Oui, il y a des goudrons, il y a des trucs, mais il y a plus de mendiants, en fait, euh, partout. Il y a plus de pauvreté que de goudrons. J'aimerais juste que tous ces gens-là comprennent qu'on a besoin de goudrons, on a besoin de tout ça. Mais on a besoin de plus aussi, parce que les femmes, là, au village, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils viennent mendier ici. Mhm. Mais s'il y a des femmes comme euh, l'entreprise euh, qui veulent aller les conquérir chez eux, ça, c'est une bonne idée et c'est très très bien. Bravo. Franchement, ça, c'est très bien. Moi, je vous encourage parce que j'ai besoin de vous. On est tous des femmes. Et c'est Weibi qui va annoncer Olivier sur cette émission pour la chronique de l'émission Tous à la Fada. Et on se prend juste après. Ultra, c'est le dernier album du rappeur français Booba, un chef d'œuvre que je vous recommande. La toile d'ici, et d'ailleurs, a été mouvementée par la sortie du dernier album du duc de Boulogne, B2O, BA. De son vrai nom, Eli né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt en France, Booba est d'origine sénégalaise. Et c'est cet attachement au continent qui fait parler de lui ce soir sur les ondes des radios partenaires du studio Kalangu. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Tout la Fada, bonsoir. Le 5 mars dernier, le rappeur de 44 ans sortait son dernier album dénommé Ultra, un album de 14 titres sur lequel on peut retrouver un son geek comme Azerty, un titre philosophique comme Grain de sable et un coup de corps comme L'Olivier. En vrai, c'est la première fois que je retrouve mon nom sur un album rap et ça me fait grave plaisir. Dans ce titre neuf, L'Olivier, le rappeur disait ceci Je suis dans le futur, j'obéis à la loi martienne. Un punchline pour scénariser les récents envois de robots sur la planète Mars et son avant sur ses concurrents. Normal de parler ainsi quand on est Booba. Un point d'avance qui est confirmé par ses chiffres de vente cette semaine. Le média Vente Rap rapporte que rien que pour la plateforme d'écoute en ligne Spotify, Booba aurait récolté 9,2 millions de streams en 24 puis 5,1 millions pour le deuxième jour, ce qui donne au total 14,3 millions de streams sur 48 heures. Bon démarrage pour le duc de Boulogne. Eh bien, une promotion XXL pour cet album. Pour la promo de cet album, Booba a mis les double. D'abord une interview aux médias en ligne brut, ensuite une rencontre avec euh, Juliette Feuvel sur France 24 ou encore des panneaux dans les rues américaines et dans certaines villes du continent. Le COP a payé le prix fort pour que son ultra soit écouté par le plus grand nombre. Résultat, 14,3 millions de streams sur 48 heures. Pour la fin de sa carrière musicale, Booba peut remercier le digital, car il y a de cela 25 ans, quand il faisait son entrée dans le showbiz, le digital était presque inexistant, en tout cas pas comme aujourd'hui. Adulé par les uns, détesté par les autres, Booba reste un des meilleurs de sa génération et a un fanbase imposant. Visiblement ému de réaliser un si bon démarrage avec son dernier projet, le COP a publié un message destiné à ses fans sur Instagram, toujours avec son compte de secours, la piraterie officielle, depuis son bannissement définitif de la plateforme. Eh bien, il disait ceci. S'il y a une chose et un message que j'aimerais qu'on retienne, c'est le suivant. C'est possible. Et il a dit fort. Questionné sur sa vie d'après le rap, il a affirmé qu'il travaillait sur une série qui comprenait déjà 4 saisons, sans en dire beaucoup plus. Eh bien, fin de carrière pour Bouba, le moment idéal pour passer à autre chose. 25 ans de carrière, personne ne m'a eu. Bonne soirée à tous. À l'instant, c'était donc euh, Olivier. Nous sommes à la fin de la première partie consacrée à la femme nigérienne une parmi vous va représenter toutes les femmes présentes sur cette émission. On a besoin de messages. Un message à l'endroit de toutes les femmes du monde. Un message à l'endroit de tous les hommes du monde pour qu'ensemble nous puissions sauver le Niger en économie. Donc vous désignez qui sur cette émission Loquette Bien sûr, à vous de désigner la personne. Maimouna. Maimouna, à toi la parole, exprime-toi. Le Niger et le monde entier t'écoutent. Mouna Sauraranki. magana ki guda ce muke su. gaskiya kira da ke gare ni don allah maza ko kuma in ce su kinmu su gane mace su gane mace su bata contribution kinta a bar fallasa ta kuske mutunce da in ta samu za ta zauna ta kula da mijinta ta kula da iyanta ta kare kuma mutuncin kanta ni shi ɗaya nake so mutane su gane la in kin kara wani abu kin bata nan ne abokin rabia mai kano misali don di da abokai na arziki sauransu ma ce ashe mu maza bayu mu ce sai sati mai zawa mu kawo muku wansu labaruka. Eh.